président de la République, il a donné des instructions fermes comme quoi nous rétrocéder la famille la totalité de la surface. Parce que lui, de expropriation, c'est une véritable expoliation, Madame Fokarni. par arrêté daté du 22, 22 décembre, nest Sous le numéro 187, la Cour d'appel a confirmé notre titre de propriété. le conservateur du Rifisque, vous, en tant que notaire de l'État, damne ne delloo titre foncier bindil tout ce qui greffe sur le titre si gàttal daal yoon daf ñu delloo ñëpp ñi fi nekk nekk muy échange c'est des véritables délinquants. ndax boo ne 94 milliards yi Macky Sall rek la ñu wax. alors que ñii mu def ñii koy def nii mooy ñi nga xam ne ñoom lu wóoru teg lañ ci bërëb ne nañ ko saytul alal SN HLM ni ñu amee fii problème ni ñu ko amee jaxera ay problème lu jënd xaat ko ni sax faatu na fa si loolu. ordonnance bi ñu amee nag dafa ne les forces publiques. les procureurs généraux et départementaux nous prête la police la gendarmerie nañu assister la famille pour que nous puissions seen par la force donc l'État est victime la famille est victime ñëpp xam que waxu 1451 est clos Nous fi nous xam des titres précaires et révocables c'est-à-dire des permis de copier. nous, nous, ñaar si biir 1451 qui fait l'objet de 258 états, y a des il y a des délibérations et ces gens là nous nuy menacé goudi ak bëccëg Lool la